La semaine a été marquée par la tenue d'une cérémonie de rénonciation à la pratique de l'excision, Mercredi 15 février dernier, 30 villages et hameaux de la commune rurale de Makalondi, région de Tilaberi, ont en effet déclaré solennellement avoir abandonné les pratiques de mutilation génitale féminine. Cette cérémonie a été coordonnée par le Comité nigérien sur les pratiques traditionnelles CONIPRAT en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Autre cérémonie officielle, cette fois-ci dans le canton de Hamdallah, département de Kolo, où un nouveau chef des bergers communément appelé Ruga a été désigné. Le nouveau s'appelle Hassan dit Badje. Son intronisation a eu lieu dimanche 12 février 2017. Le Ruga est chargé, entre autres, de jouer le rôle d'intermédiaire entre les bergers Peul et les autorités. Il est aussi garant du respect du Lawal Fulfulde, règlement interne qui régit la vie de ces bergers. Sur le plan sanitaire, la région de Tawa est déclarée définitivement débarrassée de l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift, annonce faite conjointement par les ministères en charge de la santé publique, de l'élevage et de l'environnement. Pour rappel, cette épidémie de la fièvre de la vallée du Rift a été officiellement déclaré le 20 septembre dernier dans la région de Tawa, précisément dans les départements de Tintabaraden et de Tassara. 33 décès ont été enregistrés au cours de l'épidémie sur les 399 personnes présentant des signes suspects de la maladie. En politique, les mandats des conseillers municipaux et régionaux ont été prorogés de six mois à compter du 17 février 2017. C'est le résultat d'un projet de décret adopté par le Conseil du ministre du vendredi 17 février 2017 dernier. Le même Conseil des ministres a approuvé deux requêtes pour la levée de l'immunité parlementaire d'un député ainsi que la mise en accusation de deux anciens ministres. Et puis fin hier à Gades de la première session ordinaire de la Cour d'assises au titre de l'année 2017. Durant cinq jours, les juges ont traité des cas de viol, de meurtre et de vol. Les condamnations vont de 2 à 3 ans d'emprisonnement pour les uns et l'acquittement pour les autres. Cependant, le procès qui a retenu l'attention des populations est celui d'un ancien député du département de Kirozérine jugé pour le meurtre d'un chef coutumier et un de ses enfants. L'ex-député a écopé d'une peine de 20 ans d'emprisonnement ferme et une amende de 20 millions de francs CFA qu'il doit verser à la famille des défunts.